toute l'actualité à temps réel, à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation. Ablaye Diène, secrétaire général du collège de l'Ob Mamdiar. Pratiquement, nous sommes au suñu ginnaaw syndicat CNTPGS parce que nous, nous sommes nekk Mamdiar on s'occupe de la distribution du gaz. Nous nous accompagner syndicat bi ci du 1er mai pour que les employeurs et ak

toute, l'actualité à temps réel, à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation.